Euh, je m'appelle Marie Aou, je suis conseillère départementale à Kermassar. Alors, euh, je suis venue aujourd'hui donc accompagner le président du conseil départemental à ma qualité de conseillère départementale euh, pour venir en tout cas l'accompagner dans cette mission qu'il a commencée depuis quelques jours. vous voyez que le Kermassar aujourd'hui est submergé par les eaux de pluie. Et aujourd'hui, les populations sont désemparées et laissées à leur sort. Et c'est tout heureux aujourd'hui que le président du conseil départemental puisse prendre l'initiative, accompagné de son cabinet, pour venir euh, donc euh, s'acquérir des problèmes des, populations, mais apporter aussi un début de solution. Aujourd'hui, on peut dire que euh, plus de la quasi-totalité du territoire de Kermassar est submergée. Ça, il faut le dire. On ne saurait donner un, chiffre, un chiffre quand même détaillé, mais ce qui est sûr aujourd'hui, vous pouvez le constater partout où vous allez, de Kermassar Sud à Kermassar Nord, à Yembel Sud, Yembel Nord, Malika, euh, euh tout Kermassar est dans les eaux. Ce qui nous fait aujourd'hui penser quand même dans, le cas, euh, dans un cas assez particulier où le président était venu en ces moments de difficulté pour nous promettre et enfin nous donner un nouveau département. C'était en tout cas un contexte particulier. C'était un contexte où les gens pensaient qu'avec la départementalisation de Kermassar, euh, on allait euh, donc venir à bout de ces problèmes. Mais malheureusement, vous pouvez le constater vous-même, journaliste, la situation, plus que pire, nous, nous avions demandé au président de la République, Macky Sall, de régler un problème de paludisme. Et là, il nous amène la malaria. Ça pose un problème. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'il nous a laissé à nous-mêmes. Le président du conseil départemental qui est ici, aujourd'hui qui est un élu, qui est l'interlocuteur direct des populations, ne peut vous dire où en est le plan Orsec. Cela pose un problème. Je pense que ce problème des inondations doit aller au-delà des problèmes politiques. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas politiser le calvaire des populations. Les populations de Kermassar souffrent. Vous devez aujourd'hui être aux côtés des élus que nous sommes. Nous venir en appoint, aider les populations à sortir de cette situation. Moi, je l'appelle euh, en tout cas, euh, venir euh, venir aider des populations en danger. C'est ça en tout cas le schéma qui se pose aujourd'hui à Kermassar. Nous déplorons la non-implication des élus que nous sommes dans le cadre de l'exécution du plan Orsec, ce qui est aberrant. Vous savez, le conseil départemental aujourd'hui de Kermassar bénéficie d'une subvention de 300 et quelques millions. Cela est déjà insuffisant. Ces 300 millions aujourd'hui ont été en tout cas donnés dans le cadre d'une dévolution. Mais cette dévolution aussi est, accompagnée d'une dévolution du personnel. Aujourd'hui, nous avons 44 agents que l'État nous a donnés, qu'on est tenu de payer tous les mois. Et cette subvention même, on ne l'a pas encore vue. On va au trésor, on nous dit que cette subvention n'est pas encore aujourd'hui sur place. Toutes nos opérations financières aujourd'hui sont bloquées au niveau de la trésorerie. Et vous voyez les efforts que nous venons de faire aujourd'hui sont le fruit d'une collaboration entre le président du conseil départemental et ses partenaires privilégiés qui viennent en appoint aux populations. Mais là où je vous parle, l'État du Sénégal n'a encore rien donné au conseil départemental, encore moins aux populations. On nous parle d'un plan hors sec. Où est le plan hors sec Nous demandons ici à Kermassar où est Antoine Diom où est-ce qu'il est avec ces milliards Les populations ne le voient pas. Et il est temps que ça s'arrête. Il est temps que tout ce qui se dise au sommet de l'État puisse se traduire au niveau des populations. Nous ne voulons pas politiser la chose euh, des inondations parce que c'est très sérieux. C'est très sérieux les inondations. Et le comportement du gouvernement, on peut l'assimiler à non-assistance à personne en danger. Les gens sont en danger. Il ne faut pas qu'ils attendent qu'il y ait mort d'hommes ou d'enfants pour qu'ils viennent ici avec le sac de riz. On n'en veut, on veut pas. Monsieur le Président, ressaisissez-vous et venez en aide aux populations de Kermassar. C'est tout, tout, ce que nous demandons. Lolo nak mo waral président ne mom du xaar day ñëw comme mom lañu tab fi ci bop askan wi day ñëw and ak service mi ñu ñëw waxtaan ak population yi defal leen waye lu tuuti li ñu am mu wul ñu mettre ko à la disposition pour ñu na faire touti euh na yi nak ñun gisuñu ko parce que nak lu toll ni plan Orsec Beaucoup ko euh, ministre de l'intérieur di déclenché te élu yi nga xam ne ñun ñun ñoo nekk ci bopp kuréel yi gisuñu ko boolewuñ ñu ci niñ koy mënu mënuñoo wax lén population loolu day poser problème té loolu ñun sax ñu ngi koy ñaawlu nan lañu mëna déclencher plan Orsec ci dëkk bi té élu yi nga xamné ñom ñoo la population ku jaaxle ci ñom lay dem euh, boolewuñ leen ci liggéey bobu loolu ndax wax dëgg yalla tey na xel limu tay xel nak mo waral ñu bëgg a wax président de la république Macky wax dëgg yàlla mu ressaisiru waa delluwaat nag bàyyi politique bi muy politiquee mbirum ndox mi ndax ndox mi dafa am solo boo xamante ne ndax ndox mi xamul ku nekk APR xamul ku nekk beneen parti ndox bu ñëwee ñëpp lay ñëpp lay sonal kon dañ koy demander wax dëgg yàlla moom président mu ñëw jàppale askan bi jaarale ko ci ndaw ñi nga xam ne ñoom la askan wi tànn teg leen fi ñu mën a jàppale nit ñi ndax nit ñi sonn nañu. xam nga état ba ñu taxawalee conseil départemental ba léegi état daf ñoo waxoon ne daf ñoo dikk ne dana ñu jox trois cent millions xam ngeen ne la conseil départemental amul budget amul ay recette li muy doxalee mooy li nga xam ne moom la ko nguur gi di jox bam ñu diggee trois cent et quelques millions yi ba léegi gisaguñu dërëm heure bu ñu demee trésor dañ xaalis bi ñëwagul. ñun sax dañ ciy profito laaj ko moom président xaalis boobu tuuti na waaye nag mu teewoon tuuti sax pour régler problème personnel bi eh, problème eh, ñi nga xam ne yaa ñoom ñoo ko andil ndax bi ñuy taxawal conseil départemental bi dañoo andi 44 agents ne ñooñu conseil bi moo leen war a fay te ñooñu nag defuñu dara dañ leen war a fay mais alal boobu ñu ñu wax te mu tuuti lool nag ñu xeeb ko lool ci Kër Massar muy 300 et quelques millions loolu sax ñun gisuñu ko boo demee trésor dañ lan moko lan mo xew kon loolu itamit bokk na ci lo xamné dañ ko wara wax li ñu président conseil départemental ak élu yépp nak ak maire yi ñom ñëpp dañ leena warona bolé ci plan Orsec bi dugal leen ci ñu ak population ndox population yi gouvernement bi ci kaw ñom ñi ñu fal ñuy seeni maire ak président conseil départemental kon lan moo waral dugaluñ leen ca la mu waree loolu jaaduwul te ñu ngi koy dénoncé waaw rafetut jaaduwut